monsieur le ministre madame Sey aussi euh, notre jeune frère le directeur de la SAPCO monsieur le ministre euh, un de nos collègues disait hier lors du passage du ministre des infrastructures que la vision du président de la République Macky Sall s'arrête à Djamnyadjo. il n'est pas dans la salle mais il va revenir monsieur le ministre je voudrais lui demander d'ouvrir les yeux, ou alors de se départir d'une certaine cécité intellectuelle. Parce que, monsieur le ministre, dans le plan Sénégal émergent, le, Sénégal, euh, le président de la République voulait faire du Sénégal un hub aérien, le premier hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. Cette ambition est en train de se réaliser. Chers collègues, Bankalen Senbaram, un aéroport moderne aux standards internationaux, une compagnie aérienne ressuscitée, un trafic extrêmement fort, de sorte que l'objectif de 3 millions de passagers qui était prévu en 2022 peut être atteint en 2020. Des vols à l'intérieur du Sénégal, des vols vers Abidjan, Cotonou, Guinée, Paris, et les perspectives vers Barcelone, Marseille, Washington. Monsieur le ministre, je vais parler comme un certain rappeur sénégalais. Tout cela, il n'y a que Maki qui peut faire ça en sept ans. À part Maki, il n'y a personne qui peut faire ça. Monsieur le ministre, je ci gën inauguré Airbus A330 newoo ngeen tuddé ko Sine Saalum sagal ñu ñun ñi nga xamné ñun ñoy ay doomu benen bi ci monsieur le ministre c'est la rénovation des aéroports nationaux l'aéroport de Kaolack est prévu vous imaginez l'aéroport de Kaolack rénové avec un vol Air Sénégal euh, Dakar Abuja Abuja Dakar monsieur le ministre vous allez parvenir à booster le tourisme religieux à travers le transport aérien parce que nag Medina bay li recevoir ci ay taalibe yuy jógee Nigéria par an dafa paris kon su ngeen fait l'aéroport de ba pare andi vol un jógee Nigéria di ñëw bu boobaa bu le tourisme religieux bi nga xam mu ngi nekk à Medina bay monsieur le ministre gàcce ngalaama yéen nañ ko vous rek nag. nañ ko nangu rek parce que nag olof dafa wax ne ku def dégg yéen a def moo tax ngeen dégg nañu ko nangu et j'invite mes collègues à voter ce budget là pour une première fois à l'unanimité nañ ko voter à l'unanimité ndaxte nag li nga xam ne def nañ ko defaluñ ko rek defaluñu ko rek sama doom yaa ngi may xool di ree defaluñu ko rek waa Benno Bokk Yaakaar defaluñu ko rek ñeneen ñi ci topp waa affaire wala ñeneen waaye waa Sénégal yëpp lañ koy defal kon nag dama leen di ñaan à l'unanimité ngeen voter le budget du ministre en charge du transport aérien et du tourisme je vous remercie. Vous remercie.